président Ousmane Sonko, il est là. Le président Ousmane Sonko, il est là. Téléphone. Mingi nonu. Mingi. Mingi nonu. Mingi nonu. Mingi nonu. Mingi nonu. Président Ousmane Sonko. Président Ousmane Sonko. Président. Président. Il est là. Président. Président. Président. Il va rencontrer, il va rencontrer cette bonne dame. Il va rencontrer cette bonne dame. Il est là. mu ngi noonu le président Ousmane Sonko. Président Usman Sonko. Président, président Mingini, président, président Usman Sonko, président Usman Sonko. président ngi le président Ousmane Sonko le président le président Ousmane Sanko

Socorro! Ziguinchor barikade yaa ngi noonu barricade yaa ngi noonu c'est en flamme c'est en flamme boy yi nee président fii fi jallare mi ngi noonu président dafa président dafa génnoon pour s'affronter xale yi nga xamante ni ay fan a ngi fi xale yaa ngi taxaw di jàmbaarloo président ngi noonu président ngi noonu président ngi noonu la marche victorieuse Sonko président président